La culture maraîchère, d'abord pour une question d'historique de, la pratique de culture maraîchère, euh, moi je pense que, en tout cas c'est l'histoire qui le dit, le centre agricole du Ferroan, c'est vraiment le premier centre euh, qui a commencé ces cultures euh, maraîchères-là. Quand vous regardez un peu l'historique de, la pratique des cultures maraîchères dans laïr euh, Ferwan a été le premier centre où le premier système d'exor euh, a été introduit parce qu'il semble que l'introducteur de ce système-là et aller au pèlerinage à la Mecque. C'est à partir de là-bas qu'il l'a qu'il ramené. Monsieur Ahmed Hamoukan, dites-nous comment se pratiquent euh, les cultures maraîchères dans cette euh, zone différente. Bon, au fil des temps, euh, au fil des temps, je pense que la pratique les pratiques agricoles se sont modernisées. Dans le temps, les gens utilisent ou utilisaient plutôt les travaux manuels, c'est-à-dire c'est surtout la main qu'on utilise et surtout les animaux. Ils se sont, ils se sont modernisés et c'est ce qui nous a conduit euh, présentement, en tout cas ces derniers temps-là, à utilisé pour, le, par exemple, les labours des tracteurs. Il y a beaucoup de formations qui ont été euh, dispensées pour améliorer les pratiques euh, agricoles qu'on avait dans le temps. Et il, y a, il y a également l'utilisation, par exemple, de, certains produits chimiques, produits phytosanitaires avec des appareils de pulvérisation. Dites-nous comment vous faites pour avoir de l'eau alors que nous sommes dans une zone désertique. On a toujours arrosé avec parler à travers l'utilisation des eaux euh, qu'on puise euh, avec les puits, dans les puits plutôt. La nappe est suffisamment alimentée et c'est à partir de cette nappe-là que l'eau est puisée et pour arroser les différentes cultures euh, que nous avons. Quel est l'apport de ces cultures maraîchères pour le développement de la commune du Ferrois Bon, moi je pense que dans un premier temps, il y a le côté apport alimentaire apport alimentaire, apport nutritionnel. Je pense qu'aujourd'hui, euh, dans les ménages, euh, les gens consomment quand même largement ce qu'ils euh, produisent. En termes de vivres, donc je vais dire surtout les blés et les maïs. Je pense du point de vue euh, sanitaire, on va dire, ça nous aide beaucoup euh, parce que là, quand même, c'est des cultures quand même qui sont très riches en termes de qualité nutritionnelle. La partie euh, de culture maraîchère surtout qui n'est pas consommée, elle est vendue surtout sur le marché d'Arlit particulièrement ou même au-delà.